dong la ndaxte bu ñoom ñi nga xamante ni ñoo jaay doole askan seen bopp ay lawbe yor seen ay yat ñu jàppe ñu ay mbaam di ñu dóor ginnaaw ñoom ñoo am fit continue di ñu dóor ñu ñu war a am full ak fayda daal ñu dóor yi metti nag askan wi ci électricité bi diis na du ñu ko nangu ñoo bañ ñoo lànk waaye bu loolu weesoo ñuy ñaan gouvernement Macky Sall ni ko Guy Marius Sagna Fallou Galass Seck Ousmane ay sénégalais yu honnête lañ ay sénégalais yu bëgg seen réew ay sénégalais yoo xamante ni ñoom ñoo ñu nekkaloon ci naaj wi te li leen yóbbuwoon ci naaj wi mooy ñi défendre ñu li leen yóbbuwoon ci naaj wi mooy askan wi nga xamante ni dafa nekk ci ndóol askan wi nga xamante ni mënalul boppam askan wi nga xamante ni amul lu ma fayee ñooñu ñoo ñu yóbbuwoon ci naaj wi la kon ñoom war ñu ñoo gën a gone Macky Sall nag leen rek la mën a xam. Moi, je libéré libérer Guimarissa Sagna Fallou Galass ak Ousmane Sar, su leen la prochaine fois la prochaine étape nous irons jusqu'à la prison pour ouvrir les prisons pour libérer les otages politiques parce que parce que 40 jours c'est trop longs jours ça suffit longs jours de violence pour les familles de ces pauvres garçons ça suffit 40 longs jours d'injustice, ça suffit. 40 longs jours d'absence, ça suffit. 40 longs jours de violence, ça suffit. Mais, mais 40 jours de dignité, 40 jours de liberté, 40 jours de refus, 40 jours de lutte, 40 jours de combat. Guy Marie Sagna, Fallou Galasek et Ousmane Sarr ont fait honneur à la jeunesse africaine, ont fait honneur à la jeunesse de notre pays. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus rester dans l'indifférence du sort qui frappe ces pauvres garçons. Nous ne pouvons pas continuer de vaquer à nos occupations dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'aller au travail dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'accompagner nos enfants à l'école dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer de prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas continuer d'allumer la télé, suivre l'information et de dire que Guy Marissania est un patriote. S'il est un patriote, nous devons faire preuve de dignité et exiger, et exiger la libération. Mes chers compatriotes, chaque jour, chaque nuit que Guy passera en prison constitue une suive sur notre justice. Chaque nuit il passera en prison constitue un scandale sur notre pays. Chaque nuit il passera en prison constitue. C'est pourquoi nous disons comme, nous disons comme, M. Matissal, Sall gouverne dans l'injustice il vit des justices, il se nourrit des justices, il pratique des